FIFA daf ñu daan léegi huis club bobu nak nga koy dundee yow en tant que coach. mais ñu ngi siy naqarulu bu bu baax du lo xamné neex nañu parce que bu doon suñu sago tay ñu recevoir suy suñu réew suñu dëkk parce que tamit boy jouer ce réew sa yaakaar mo que ce supporter yëpp nek ce nek nek ce ginnaaw je pense que tey bu dee yaru ak teggin euh, kenn ëppalewu ko Sénégalais nous avons fait nañ ko le Sénégal am na compétition la coupe du monde 2018 nga gagné pratiquement sax meilleur fair play sur nos supporters La coupe d'Afrique, nous bi tamit nous gis qui suñu nous, Nous nous bu suñu Nous dañu a supporters nous, supporters yu nous, nañu. sur incident contre contre Égypte nous Nous nous mën wax normal d'accord. parce que nous supporters voilà parce que tamit defuñu fi lo xamné yeneen supporters yi defuñu ko. parce que tamit buñu faté ni que lu xew euh, ci match bobu contre contre Égypte dafa am lu fa xewoon avant bobu voilà. cautionné wu ma loolu nag mais nak je pense que suspension bi mom lo xamné lu rëy tamit par rapport à conséquences yo xamné ñoo amone fële tàmbali ci match bi parce que gisuma ben joueur muy ñun suñu côté muy seen côté bo xamné il était en danger donc je vois pas pourquoi ñu ñuy suspendre ci ci match bobu euh, je vais commencer par la, deuxième question, euh, parce que c'est l'actualité. En réalité, c'est deux matchs très importants. C'est euh, méfier de cette équipe du, Soudan, ne pas, ne pas les prendre à la légère. C'est une équipe qui viendra bien sûr aussi pour faire un bon résultat, c'est-à-dire prendre les, trois points c'est à nous, comme on l'a toujours fait, en réalité, quand c'est important, et on sait que cette Coupe là est très importante et que le Sénégal doit y être, il est important de bien apporter en réalité ces, ces éliminatoires comme on l'a toujours fait, en essayant d'emmagasiner, si vous voulez, six points sur ces, sur ces deux matchs-là. Le Soudan du Sud, c'est un invité qu'on ne connaît pas très bien, en réalité qui vient de changer d'entraîneur aussi. Euh, apparemment, c'est l'ancien entraîneur de Madagascar, depuis qui sera. on va voir qu'est-ce qu'il va nous, nous apporter, mais c'est un match que nous préparons vraiment avec sérieux, d'autant plus que notre dernière rencontre ici contre l'Algérie, on a fini par le défaite. qu'il est important pour nous d'apprendre à gagner chez nous et de remettre les pendules à l'heure. Euh, le Togo, on le connaît, c'est une équipe qui nous a éliminés en 2006, c'est une équipe qui nous empêche d'aller à, la Coupe du Monde en, 2006. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Togo, on vous ça. On vous a éliminé euh, durant le, le mondial en 2006, on est capable encore de le faire. C'est une équipe qui a énormément de qualité, avec des très très bons joueurs, avec un entraîneur expérimenté. Nous avons là-bas en se disant que ça va être un match très compliqué. Mais nous avons des arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire aussi un bon résultat là-bas. Je n'ai pas vérifié, honnêtement, je n'ai pas vérifié. Je ne peux pas vous dire que c'est son cinquième match, ça je pense que c'est vous. Mais si effectivement c'est son cinquième match, on ne peut que le féliciter parce que porter les couleurs de, son pays durant, durant 100 matchs, je pense que c'est vraiment une performance et que l'on fait. Vraiment féliciter Idrissa qui a, a eu à le faire et, et bien sûr qui le fera bientôt. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront aussi. Maintenant concernant le, garçon Abdallah, Abdallah est blessé. Donc euh, c'est un garçon que j'ai toujours compté sur lui. Euh, aujourd'hui, effectivement, Jacob il est là. Euh, est capable de jouer à ce poste-là, mais le tour est aussi en train de faire son petit, est en train d'avancer aussi au niveau de, de Fulham. il est en train d'amagasiner aussi du temps de jeu. Comme je l'ai dit, cette équipe-là, il, y, a énormément euh, de, concurrence. Rien n'est encore fait, il reste encore deux mois et je sais très bien qu'entre le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier, beaucoup de choses peuvent se passer. Abdallah sait que je compte sur lui, mais comme vous le dites, sur ces deux regroupements, il n'y est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à la canne. Ce que je lui souhaite d'abord, c'est qu'il se rétablisse physiquement retrouve la santé parce que c'est la chose la plus importante. Je pense que aujourd'hui tout le monde est conscient de la dureté de cette canne, des difficultés qu'il y a de cette canne, les matchs, comment ils sont disputés et comment c'est difficile. Euh, entre les baisses de forme, entre les suspensions, entre les maladies. Donc euh, oui, je pense que je pensais que, en tout cas, la CAF aurait pu, euh, ne serait-ce que laisser euh, euh, le fait qu'on puisse euh, être à 23 ou à, pardon, être à 26 ou être à, 27, en réalité, ça ne gâchera rien du tout parce que pour nous, les entraîneurs, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus de possibilités. J'ai envie de dire que depuis 8 ans que je suis ici, ce, sont des, ce sont des situations que j'aimerais que la CAF nous demande quand même un peu plus notre avis, nous les techniciens. C'est vrai que le football africain a beaucoup progressé, c'est beaucoup, beaucoup développé, mais au niveau des joueurs, au niveau des infrastructures, etc. etc. Mais j'ai envie de dire que nous, les techniciens aussi, ce serait bien qu'on nous demande notre avis euh, pour euh, justement savoir ce que nous pensons de, tout ça. Et je saute euh, sur la deuxième question qui est, bien sûr le temps, le, le, de jouer à 14h. Rappelez-vous, la dernière canne, on avait joué à 14h à Bafoussam. On venait de sortir quand même, on était finaliste en 2019 et puis on arrive en altitude 14 h euh, on a joué contre le, Zimbabwe, on a joué contre le, euh, contre la Guinée à, 14h. Il n'y a aucun médecin qui vous dira que bah, jouer à 14h, c'est bon pour la santé des joueurs. Je pense qu'il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là, qu'ils comprennent que pour que la canne soit belle, il faut mettre aussi dans les meilleures conditions de performance les joueurs. Si, je vais dire encore euh, parce que ben benn médecin du wax ni que euh, jouer 14 heures lo xamné le lu lu lu la ci wérgu yaramu euh, joueurs yi je pense que lu gëna importance quand même moy que nañuy protéger joueurs yi euh, parce que tamit spectacle bi joueurs yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo ko ñoom ñoo réaliser euh biñu démé Cameroun pratiquement suñu ñaari match yi 14 heures nañ ko jouer et en altitude Tay, c'est la même chose du man kese may wax ci yooyu du man may <laughs> may dénoncer loolu tey entraîneurs d'accord ñu sur le fait que match CAN nous ñu koy jouer à 14 h Nous xam nañ ni ci Afrique de l'est à l'ouest de nord au sud Nous xam ni que 14 heures mu nekk Alger nga nekk Cape Town nga nekk Bamako wala nga nekk Éthiopie Nous xam que c'est des périodes yoo xam périodes périodes yooyu dafay donc tey spectacle boobu tamit buñ ko bëggé bu ñu ko bëggé réaliser te nga xamné ñëpp d'accord nañ ni que CAN bi moy 3e compétition bu gën importance ci aduna je pense que dañuy mettre acteurs yi tamit ci condition yo xamné war nañ mëna def seen liggéey comme ni ko waré mën naa wax ni que d'accord ñu ci match 14 h yi j'espère que vraiment suñu suñu hiérarchie suñu dirigeant yi dinañ ci dinañ ci dinañ ci taxaw bu baax xool xoolaat encore programmation match non mën nañ ko améliorer comme nu ma ko waxee sànq parce que ku est d'accord que CAN bi chaque événement CAN dañuy sentir que CAN bi mi ngi développé ou CAN bi mi ngi gën dem ci ci kanam tey bu pratiquement équipe yan qui éliminatoire Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde yëpp amul belle équipe qui, depuis janvier ba tey dem 23 joueurs ñoom ñëpp 24 joueurs 25 joueurs 26 joueurs am na ñoo 30 joueurs tey bu ñu xoolee difficulté boo xam ne CAN bi match

sama en tant que yi ñu ngi ciy wax te incha allah ñun tamit dinañ taxaw jéem a jéem a jéem a défendre tamit suñuy droit tamit ci loolu.